Aïcha tout ça vraiment il fallait avoir am talent lañu encadrement moo jafee Afrique parce qu'en Afrique malheureusement beaucoup de Europe nga xam ne qui ñu gisee talent ci xale dañ koy yóbbu dem musique mooy waajur wala encadrement bi investir dans ko musique jàngal ko solfège jàngal ko nu ñuy de préparé ko malheureusement il pas amuñu moyens yi mais defe naa ku leen mais de manière générale je pense que la musique sénégalaise progresse, a bien progressé. Il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouveaux rythmes. C'est très bien. Je félicite et encourage. Mais bien sûr, le mot musique, musique échange là, hein, musique individualisme, la de individualité, il n'y a aucune musique échange là. Effectivement, je pense que l'eau, il a été absolue, de a l'état, ou bien, ñi nga fi eh, artiste ci ay artistes yàgg nañ ko taxaw mais man artiste bu ma sollicité vraiment eh, ma gis genre musical bi neex ma et puis esprit bi aussi pourquoi pas ñu def duo parce que loolu loo am solo aussi artistes yi aussi bu ñu dem di def duo ak ñu nekk ci biti loolu lu am solo la parce que musique aussi mix la mixage la quoi il faut faire la promotion de la mixité dans la musique les échanges pluriculturels, les échanges entre les pays, c'est très très important parce que mooy tax ñeneen ci dëkk boobu xam la yow des artistes ci sa dëkk artiste boobu ñu xam ko et puis des échanges échange loolu mooy musique aussi et puis la variété de sonorités. La famille Touré Boula vous remercie. Alors la question est de savoir est-ce que Kumba prépare quelque chose en anglais, une chanson en anglais parce qu'elle a été apprendre en à Londres, mais aussi euh, les notes de piano, est-ce qu'on aura l'opportunité de les entendre prochainement Et un peu encourageant encore une fois, on dit que tu es une diva, une lionne, on s'en rend compte aujourd'hui, et on est de tout corps avec toi. Merci. Merci merci beaucoup. Effectivement, je, vous savez, quand un artiste est conscient de l'importance de s'ouvrir, à d'autres origines, à d'autres cultures, à d'autres langues, à d'autres nationalités. Cela veut dire que cet artiste est conscient de l'importance d'apprendre autre chose et d'aller vers un autre public. Et la musique, elle est universelle. Et on le peut aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses et à la manière dont fonctionne le monde et les choses, ne pas comprendre certaines langues, particulièrement l'anglais. Et c'est <laughs> voilà, et je me suis dit, ah moi, Londres, Londres, I'm here. <laughs> et je suis allée à Londres, voilà, euh, même si ce n'était pas évident, parfois c'était très difficile. Mais bon, au moins pour euh, perfectionner mon anglais, parce que j'avais quand même une bonne base, j'ai voulu perfectionner parce que euh, chanter en anglais donne toujours des ouvertures, même si je dois le mixer avec ma langue mais le chanter aussi dans avec le bon accent, c'est très important. Et euh, donc, euh, effectivement, je compte dans mes prochaines compositions euh, chanter effectivement quelques phrases, quelques textes de cette langue-là. Je pense que c'était ça votre première question. Et la deuxième, c'était... le piano. Le piano, effectivement, c'est mon rêve. Vous savez, moi j'ai dessiné mon retour et pour me mettre de la pression pour guérir et pour revenir sur scène et arrêter de pleurer, j'avais dessiné ce piano blanc sur une feuille que j'ai collée sur mon frigo. Chaque matin, quand j'étais déprimé, je dis Regarde ton dessin derrière, c'est ça ton comeback. Allez, va travailler. <laughs> et du coup, au lieu d'être là à, voilà, à m'adonner à autre chose, je m'adonnais à trois ou quatre heures de piano ou plus par jour. Et je me disais qu'il valait mieux pleurer en, jouer, en jouant du piano parce que ça vient du cœur et ça sort du cœur que de rester là. Au moins, j'aurais utilisé mon temps de répit à quelque chose d'important. Et c'était ça ma routine quotidienne. Chaque jour, je jouais jusqu'à ce que je me fatiguais et j'arrêtais. Et ce n'était que du bonheur. Donc, euh, euh, disons-nous euh, certainement bientôt au piano. Merci. Inch'Allah. Merci à tous nous partageons nous nous associons à Donc, euh, nous donnons la parole à Nali de la Fête 2 Les autres choses là, c'était me perfectionner dans mon métier. Ce métier que j'aime tant. Parce que toute ma vie, moi, je sais faire que chanter. Vous imaginez quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, s'est mis à faire quelque chose, subitement, tu arrêtes. Si vous n'êtes pas fort mentalement et que vous n'avez pas de la foi, complètement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je vais me perfectionner. Et le message aujourd'hui, c'est quoi Le message à cette jeunesse, le message à ces artistes, le message à ces musiciens, c'est que Django Louis, ce n'est jamais trop tard d'apprendre, qu'on peut toujours apprendre, qu'on peut toujours se moderniser, qu'on peut toujours se développer, qu'on peut toujours se perfectionner et que la musique sénégalaise a besoin d'apprendre. Les artistes doivent davantage creuser, doivent davantage apprendre, doivent, davantage écouter des musiques d'ailleurs, ne doivent pas seulement se limiter et se focaliser à ce qui se passe ici, parce que vous aurez du mal à l'exporter aussi. La musique sénégalaise peut être exportable si on a l'intelligence de le mixer et de l'associer à d'autres. Ce n'est pas pour rien récemment que les Américains ont invité Mal dans Black Panther. C'est une fierté. quand on voit nos rythmes, nos sonorités, nos danses dans ce film, on se rend compte que l'Afrique est riche, seulement il faut savoir s'ouvrir. Et mon message, c'est l'enracinement, certes, mais l'ouverture, mais surtout la persévérance et la patience d'apprendre. Beaucoup. Donc, euh, avant de passer la parole à Philippe Mandor de France 24, voudrais vous inviter tous à mettre vos portables sous silencieux. Ça gêne un peu euh, du côté de la technique. Donc, il est de France. <laughs> Mais c'est vrai qu'il est vrai qu'il faut savoir partager euh, des vécus, il faut savoir partager des expériences pour donner la force à d'autres aussi d'en parler et de se dire tiens, c'est pas moi seulement. Si elle aussi, elle le vit, elle a vécu et qu'elle arrive à supporter moi aussi, je peux y arriver. Son public, euh, avec soi-même, mais aussi de permettre à d'autres de se dire c'est pas moi seulement. Voilà, il faut, je peux y arriver, je peux m'en sortir. Alors, moi, pour mon cas, vous savez, moi, j'ai eu des problèmes de voix parce que généralement, à la différence de beaucoup d'artistes, ou presque, toutes les grandes voix ont généralement ce genre de problème. La seule différence avec mon cas, c'est que moi, j'ai eu une blessure au corps vocal. J'ai été agressée accidentellement lors d'une maladie voilà, qui a créé une autre maladie, d'où ma lésion sur ma corde vocale gauche. J'avais carrément une plaie dans la gorge et c'est cette plaie qu'il fallait enlever et c'est cette plaie qu'il faut guérir. Voilà, et c'est cette plaie qui m'empêchait de parler et qui, par moments, cas de fatigue ou extrême ou de manque de repos pour m'empêcher de chanter. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends beaucoup grâce à Dieu. J'ai réussi à m'en sortir. Je continue mes traitements. Je suis en convalescence et j'ai bon espoir que les choses vont s'améliorer de jour en jour. Merci. Merci. La parole est à Mme Faougué du groupe de médias IGFM. Aujourd'hui, pour Magaola, euh, comment a été euh, votre traitement Était-ce douloureux Et euh, est-ce qu'on peut dire que le où est-ce que le va commencer Vous allez sortir un album Ou est-ce que vous êtes prêt à chanter Merci. Merci, ma femme. Le seul dit que c'est vraiment un nom de famille, Nario Bogichiano, quoi. <laughs> bëgg ceeb rek xam naa ni kii moom buuba TFM ceeb la fa nekk di ko def <laughs> c'était pour vous taquiner ma femme. Euh, merci écoutez euh, moi je je rends beaucoup grâce à Dieu aujourd'hui je me porte bien je me porte en tout cas mieux qu'avant et beaucoup mieux qu'avant et pour répondre à votre question <laughs> ça n'a pas été facile croyez-moi euh, comme je l'ai dit tantôt, quand vous avez appris à chanter toute votre vie, déjà le fait de savoir parler convenablement du jour au lendemain, vous ne savez plus parler, c'est très difficile pour quelqu'un parce que parfois ça vous, ça vous arrache les tripes, ça vous énerve de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire et que vous n'arrivez pas à le dire. Mais comme le disaient les médecins, il faut être patient, il faut avoir de la patience et tout est dans la tête. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Donc, c'était, pour dire vrai, très difficile parce que pendant plusieurs mois, euh, tout ce que je disais, je le dirais, disais en écrivant. Une ardoise était mon meilleur compagnon avec un stylo et un effaceur où je disais, où j'écrivais et les gens disaient ou parfois SMS, euh, et mon staff en est conscient, sont mes, témoins, puisque je faisais mes réunions par SMS. Et je me rappelle une fois ma mère qui vient me voir à Paris, qui me regarde parce que je venais de sortir de l'hôpital. Je superpose les oreillers, je m'allonge sur mon lit, je m'assois et puis je m'adosse sur les oreillers et je me mets à travailler, à envoyer des SMS et elle se met à pleurer voilà, où tu, tu, chavires complètement, j'ai pas d'autre choix, je dois le faire. Voilà, et donc pour me dire tout cela, pour me dire que cela a été très très difficile, mais quelle que soit la difficulté que j'ai vécue dans cette épreuve, j'ai eu comme en moi cette sorte de lumière divine qui m'accompagnait, qui me disait, va prier ma fille, va prier, ça va t'aider. Parce que je me suis dit, quand on n'a pas de de ma religion, ce qui m'amenait tous les jours jusqu'à présent, me lever à 3 heures du matin, et vous ne pouvez pas imaginer cette sensation, ce silence, cette quiétude que je ressens et qu'il y a dans la prière et le fait de se lever à 3 heures du matin, de prier jusqu'à cette heure. Et à chaque fois que je le faisais, plus je le faisais, plus je me sentais forte et plus ces démons qui me parlaient dans ma tête, je les voyais ou je les sentais en tout cas partir et cela me renforçait. Donc c'était cela mon quotidien et c'est ça qui m'a renforcée. Et enfin, pour l'avenir, comme je vous l'ai dit, je suis en traitement, je suis en convalescence, mais je compte mener mes activités. C'est pour cette raison que j'ai décidé de rejoindre mon pays après concertation avec mes médecins, avec ma famille et leur accord, et de continuer tout en continuant mes traitements et tout en étant proche de mes fans et de mes partenaires.